Mais toi là, qu'est-ce que tu as à me regarder ainsi Tu ne m'as jamais vu, non Ou bien tu veux ma photo Toi, tu penses que tu vas rester là à t'empiffrer pendant que moi, je me n'y nyarami, la santé à travailler, hein, à vous nourrir ici et vous loger comme ça, quoi. Eh, Kabako, mais qu'est-ce que tu as, Salif C'est l'alcool d'hier qui fait effet ce matin là, ou bien Moulokera Quel alcool Moi, il y a longtemps que je bois plus. Mais qu'est-ce que tu as Tu as des verres il y a que j'en ai marre de m'occuper de toutes les dépenses tout seul dans cette maison. Mais Salif, qu'est-ce que tu veux C'est toi qui travailles, pas moi. Justement, il est temps que tu trouves du travail. Salif, même si moi je trouve du travail là, c'est pas pour faire les dépenses de la maison. Hein. Mais mes propres dépenses. Yamea, à la rigueur, aider ma mère si elle en avait besoin, c'est tout. Mais ta mère et toi, vous n'avez besoin de rien Au moins, si tu pouvais travailler, ne serait-ce que pour t'occuper du loyer chaque fin de mois Pati Sankana Salif Où tu mets ta fierté Salif, tu n'as pas honte un homme qui demande à sa femme de payer les loyers à sa place. Il n'a là. Voilà, moi je vais aller tout raconter à mon père aujourd'hui. Eh, si tu veux là, faut aller raconter au père du père de ton père. De toute façon, pour ce mois-ci, moi, j'ai déjà payé. Le mois prochain, c'est toi qui paies. Bon, dans ce cas, tu vas garder trésor pendant que je vais chercher du travail. Et eh, moi, je vais travailler. Mon patron m'attend. Tiens, Fiba Fokanye, payer le loyer. Il va barrer. Bonjour, jolie demoiselle. Bonjour, monsieur. Je viens voir monsieur Amadou. Est-ce que vous n'êtes pas tonton Brahma le réparateur qui l'attend Exactement, jolie demoiselle, c'est bien moi. Mais vous n'avez pas l'air aussi méchant comme tout le monde le dit. Ah bon C'est ce que Amadou il raconte partout là Mais où est-ce qu'il est ce petit con là pour que je lui récupère un peu le portrait là Bonjour tonton, je t'attendais là. Mais dis donc toi là, hum. qu'est-ce que tu... Non oh, tonton, <laughs> viens, je vais te faire voir par où passe la ligne téléphonique. Ben méfie-toi là. Hein. <laughs> Oh,